nous avons convoqué ce point de presse. Ce point est convoqué par les trois communes de la ville, la commune de Thiès Nord, la commune de Thiès Est et la commune de Thiès Ouest. Et c'est la jeunesse réunie Thiès. On voudrait tout juste apporter un recadrage à le perroquet de service Mambéignan, qui est par son incompétence et sa médiocrité, se permet à chaque fois de porter des propos indécents à l'endroit de notre leader, le président Idriss Seck. Je pense que lui, il a montré ses limites dans tous les plateaux. Il n'est pas digne d'être ministre. Si est ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il est dame de compagnie de la présidente du Sénégal. Nul n'était cela. Il ne peut pas accéder même à être un chef de service, encore plus un ministre de la République. Parce qu'un ministre de la République qui ne maîtrise même pas les données, qui est complètement égaré de la situation économique de notre pays. Je pense que le département qu'on lui a confié, qui est le tourisme, il devrait s'atteler à pouvoir régler les problèmes de son département. Au lieu d'être là à chaque fois que les gens parlent de la situation du pays, il sort pour faire de la calomnie et de l'injure. Il faut qu'il arrête. Mais malheureusement, on le comprend d'une part, parce que présentement, ce sont les coups de fouet que son, que son, que son maître reçoit qui les dérange, raison pour laquelle il ne peut pas se, il ne peut pas se, retenir. Mais on lui fait comprendre qu'aujourd'hui, si quelqu'un devrait se taire, ça devrait être lui. Et qu'il essaie de nous faire développer notre tourisme au lieu d'être là à dire qu'au Sénégal, il y a des animaux, il y a des rats, il y a des, des, perroquets, il y a, du sable, il y a il encore, il y a de l'herbe. C'est inadmissible. Vraiment, Mambaïna, vraiment, il déçoit on n'est même pas fier des fois de dire qu'on est sénégalais à propos de Mambaynia, vu son comportement. Il a montré toutes ses limites intellectuelles. Aujourd'hui, il devrait se taire pour une bonne fois pour toutes. Mieux encore, le ministre de la Jeunesse vient y s'ajouter en disant que la croissance du Sénégal est tirée sur le secteur primaire. Une croissance de 6,6. Mais la France, qui est venu récemment apporter leur soutien au président Macky Sall parce que six ans de gestion, il ne parvient pas à, relever sa moyenne. Et à un taux de croissance de 1,7, il nous parle des chiffres de 6,6. Euh, Est-ce que vous pouvez vous trouver ça logique, ces chiffres Je pense qu'on est face à un régime égaré. Et quand on est face à un régime égaré, le mieux pour Macky Sall, c'est qu'il a deux options. Une option honorable, c'est de faire comme François Hollande, de dire aux Sénégalais, vous avez fait de moi directeur, vous avez fait de moi ministre, vous avez fait de moi premier ministre, vous avez fait de moi président de l'Assemblée maintenant président de la République, mais malheureusement, les charges de président de la République, je ne suis plus en mesure de le continuer parce que j'ai échoué et j'organiserai des élections libres et transparentes parce qu'au Sénégal, il y a des talents qui peuvent diriger ce pays. L'autre sortie, c'est une sortie désastreuse, on ne lui souhaite pas, c'est d'écouter ces presque de service qui l'entourent et lui qui parle des chiffres qui sont complètement en déphasage avec la réalité économique parce qu'il a porté notre économie sénégalaise dans les ténèbres, c'est d'aller aux élections de 2019 en ayant le sort de Kumbayala, en ne passant même pas au deuxième tour. En tout cas, je sais que Sylvette veut d'un bon Sénégalais et marquer l'histoire du Sénégal, c'est de faire comme François Hollande l'a fait. Maintenant, s'il veut marquer l'histoire du Sénégal négativement, il n'a qu'à suivre le chemin de Kumbayala. Parce que les Sénégalais sont fatigués. Et j'en profite pour remercier et encourager le président Idriss Seck sur la qu'il a entrepris de faire le, tour du Sénégal pour écouter les Sénégalais dans tous les secteurs et essayer d'apporter les solutions doivent Parce que les Sénégalais sont fatigués dans tous les secteurs. Donc leur croissance dont ils parlent, je ne vois pas dans quel secteur on le ressent. Ah, bien que le secteur qu'il a créé récemment, qui est le secteur de la liquidation des adversaires politiques, dans ce secteur-là, on peut dire qu'il y a de la croissance, parce qu'il ne veut pas avoir d'adversaires. Il investit beaucoup d'argent pour, les, pour, la liquidation. ce secteur-là, c'est dans ce secteur-là dont il parle pour parler de son croissance de 6,6. Donc, il faut, deuxièmement, je remercie vivement et je, félicite l'opposition de la marche d'hier, qui est une marche réussie, et ils doivent compter dans ce sens, parce que ce régime en place est un régime égaré, et normalement, il ne doit même pas aller euh, attendre 2019 pour dire aux Sénégalais, oui, nous avons tenu nos promesses, nous avons des chiffres, et nous avons des chiffres erronés, des chiffres qui sont complètement défaillants à la réalité. Ce sont ces propos-là dont on voulait porter à l'endroit des Sénégalais qui nous écoutent, parce que les Sénégalais sont dotés de bon sens, sont dotés de conscience, et ils réfléchissent, et ils savent que présentement, ils sont fatigués. Ils veulent des gens qui ont des, sont des leaders charismatiques, des leaders euh, de, chefs d'État, ou bien de, qui ont une leadership qui leur permettra d'être en, phase avec, les, avec, la population et régler les, souffrances des, des, Sénégalais. En tout cas, nous pensons que aujourd'hui, Macky et ses perroquets de service devront arrêter et arrêter d'injurier les gens à chaque fois qu'on lui parle des questions de l'heure, des questions qui intéressent vraiment le, peuple sénégalais. Merci beaucoup, je vous remercie. mbokk yi ñu ngi leen di ziar Je remercie baax beaucoup presse bi nga xam ne tey ñoo ñëw euh, fekk suñu fi ak suñu morom yi nga fi nekkal muy les trois communes de la ville yi nga xam ñom ñoo fi nekk euh, muy la jeunesse Rewmi Thiès doon andi tuuti rek benn éclairage ci ka mbay ñaa bi nga xam te ni moom ñëpp xam nañ ne bu doon dunguru du doon tey ministre mënul sax nekk chef de service parce que wane na fépp nekk moom mënul te dafa tële ndax fu mu dem wàccee fa deru Sénégal ci plateau bu ñu ko invité muy wax boo ko dégloo xeeb tey nag mu bëgg fu nit waxee les question de l'heure yi nga xam ne moo intéressé Sénégalais ci njàng bi ci éducation bi ci lépp mu jóg na doog fi doog fi waxee commencé laa xas di la xaxar te Sénégalais dañoo dépassé loolu ñu bëgg ko xamal ni ko moom bu noppi di am moom moo waroon noppi ndax ministre boo xam ni tu xamoo sax sa dëkk la fay dox économie ba la fay dox ñu dénk la ko ba nga nekkee ministre de la jeunesse tu ne peux même sax wax hymne national du Sénégal bu jub loolooy wax ji mboo ko woon léegi na ko waxal mu hymne national munu ko il ne connaît même pas les valeurs républicaines de notre pays on te fait ministre parce que da ngay dunguru première daab léegi maintenant nga jóg ku wax rek nga saago il faut que mu arrêté lu ñu ci bëgg a wax leneen ki mooy il faut que mu xam ni ne Sénégal seeni difficulté Sénégal dafa metti te ñëpp xam nañ ne Sénégal dafa metti moom ak le ministre de de la jeunesse ñu ne Sénégal ma ngay dox am nañ taux de croissance 6,6 te ci secteur primaire bi lañ ko tiré xam nga loolu ku jàng en particulier l'agriculture ku jàng war ngaa russo wax loolu biir Sénégal nit ñi di la dégg man yaakaar naa ne Macky Sall dafa war a jëlaat ay ministre mu recycler leen dem yóbbuwaat leen ñu jàng xam li ñuy wax lan la mën a wax ak sénégalais parce que vraiment te am na service nag bu nekk biir service bu euh, bu bu ministère de la jeunesse muy le service civique national c'est pour former ñun ñi ay am des pour produit de ce service là am na yoo xam ne doo ko wax boo ko wax da ko seet parce que un ministre de la république quand tu parles, ñu jox la lu mel tourisme Mame Mbaye Niang mu naan Sénégal am na ay kaay Sénégal ndax am na ay kaña kaay Sénégal ndax am na ay muus parce que am na ay am na am na ñax parce que am na vraiment il faut être nag vraiment nul pour le dire et on le dit ce qu'un ministre de la république croissance bobu ñuy wax France mi nga xamanteni mo fi ñëw barki dem moo njaay pour dimbali Macky Sall parce que 6 ans de gestion mënoo produire un résultat mën ko dimbali taux de croissance am 1,7 la nek yow nga wax taux de croissance 1 6,6 est-ce que loolu rek xel xel xel xel nangu na ci Sénégal gu metti gi tek ci pire encore Mambay mi nga xamanteni ni mom euh, euh, euh, xamul lu Sénégal fu Sénégal Sénégal exactement fan moy fan moy fan moy metti il se permet fu ñu génnee di wax les questions yi nga xam mo intérêt Sénégalais yi nit ñi war ko péncoo war ci wax bo démé éducation bi nit ñaa ngi ci enseignant yaa ci mbedd mi gëm ci santé bi docteur yeeg infirmier yaa ci mbedd mi so démé ci ci ci ci insécurité bi ñëpp gis nañ li li ci xew comment régler ces tous ces problèmes là mom il est là ku ci wax mu jog né dalay saaga la xaxar la ñu bàyyi ko noonu rek muy wax lu ko ñu bàyyi ko rek muy wax lu ko neex il faut que mu arrêté yooyu dafa war a jeex ci Sénégal Sénégal Macky Sall lenn leen ñaar la leen deseel ne Sénégalais def ngeen ma ministre def ngeen ma premier ministre def ngeen ma président assemblée nationale def ngeen ma chef de l'état mais charge bii ngeen ma jox chef d'état attanuma ko dinaa def ne François Hollande taxaw ne dinaa leen organiser ay élections yu libres et transparentes du ma ca bokk loolu nag dana génn buntu bu rafet sénégalais yi naw parce que dañ xam ne ku intègre la nit ku rëy la mu marqué l'histoire du Sénégal defu ko nak deglu ñi diko wër pérékoyam ñii diko ko wër di ko ay waxi dof ak ay chiffres yo xamne ne dafa erroné qui sont complètement en déphasage bokkul ak lenn li nga la Sénégalais du di dund mu am sooru kumba yalla moy nga dem élection yo xamne deuxième tour sa do ci bokk quatrième sa du ko jël lool moy wax ji et je pense que Macky Sall il est assez réfléchi pour xam ban voix la ci wara jël et je sais que ni numa ko xamee dina jël voix bi nga xam tay ji moo soti sotti honorable parce qu'il voudrait marquer l'histoire du Sénégal en tout cas loolu lañu ñu bëggoon a tënk ci wax wax ko ne ko ay nitam nañu téye seen bopp te xam mais xam naa ne mooy on les comprend comme ñoom ñoom dañoo lamboo fas te fas nag labbali moom faaw fas nga di ko labbali mais ñoom seen fas dañ ko labbali mu tépp mu mu mu mu mu mu comment on l'appelle encore muy wexte mu mbamb voilà voilà le bon terme c'est à dire que fas bi dañ ko labbali mu mbamb fa ba labbali idrisé fan yi di labbali fas bi pour que mu xam fu Sénégalais yi jëm xam naa moom mbambu la fas muy taxawaal di wër di wax rek ba tax na ñoom fu mu toll xamuñ fi fu ñuy taxaw te fas nag bu mambee da koy bàyyi muy teel teel ba dal nga doo côté sinon boo ko jëmee te sa daray gaañ mooy li leen dal nii ku wax ñu saaga la donc daal loolu lañu bëggoon tënk rek di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax je vous remercie merci beaucoup